Merci beaucoup. Merci Radio. merci. Euh, attendez. attendez, attendez, attendez. Attendez. le protocole def. Lamine euh, force de défense et de sécurité. police gendarmerie sont représentés par le chef qui est là si vraiment ñu leen di gërëm le jaajëfal bu baax a baax sans vous on n'aurait pas obtenu ce résultat là Je m'en ngeen une merci merci monsieur le président euh, de l'eau, s'il vous plaît monsieur Georges, s'il vous plaît

s'il vous plaît taxawal loolu Nous fii ñu Abdou Aziz Ama bul sori Modou sori euh, voilà. on continue. on continue Lévi. Lévi. Ama Ama ñëwal. আমরা বিশ Voilà, alors vous allez vous demander S'il vous plaît, tout. Même tableau, s'il vous plaît. Nanga. Nanga, c'est Nanga qui déborde à Matadé. C'est Nanga qui déborde à Matadé. Le président déborde Modlo. Président. Oui. Nanga, président, s'il vous plaît. Président. Président, s'il vous plaît. ak yéen ñi jàpp rek a nekk. di nga ménagé yi ñu ngi lay daan rek ndax ñu ngi delloo xaalis bi. ñu ngi leen ménagé yi di nga xaalis ba nekk. El Hadj Dia s'il vous plaît lool. El Hadj Dia bu Bambey. voilà c' est le président qui décolle Mamadou Lo qui donne Mamadou Lo son argent. ah dañ ciy décolle. tableau bi moom loolu am na ay suñ koy jox na ko xaalis ba pare. waaye léegi président ne dafay jox son excellence SDG bu Bambey mu jox moom loolu son décoration gis ngeen jàpp ni mu neexee.